Assalamualaikum, Mbok Pisa for Radio Carrefour FM. Neskis nyudik kegian, citong kong terbaru. baru. xibaar yi ak Amsatou Faye wàllu mbëkk mi la ñuy dooree tënkum xibaar yi ak doomi sénégalais yi faral di jël gaal gi wala ñuy awee ca Nicaragua dëkk boobee jël na dogal tëj ay frontière am ni ki Mexique ak Panama sénégalais yu bëri ña nga fa taggatee métier Mexique mu metti lool ci ñoom ba ñuy fanaan ca mbedd ya te Sénégal amu fa bu nu sukkandikoo ci genn ndaw Sénégal amu fa ab consul honoraire mbootaayu réew yi di ONU di xamle ci Méditerranée bi ëpp ñaari junneeki téeméeri immigré ñàkk nañ seen bakken ci atum 2023 beneen ponk mbokk mbokk yi mooy lu jëm ci wàllum parrainage bi fii ci Sénégal ñi bëgg a samp seen dënd yóbbu nañ ña leen teewal ca direction général toppatoo lépp lu jëm ci jongante bi ngir daal ñu jël seen i fichier parrainage ak seen i kele parandooy Ousmane Sonko mer ba futtu la def bu ñu sukkandikoo ci seen mandataire bi di Ayib Daffé muy jotul kayit buy mandargaal ak bokkuk euh, parti bi di Pastef ci élection yii di ñëw kon bu ñu sukkandikoo ci moom kii di Ousmane Sonko nekkul électeur euh, Eh, élection yii di ñëw Ayib Daffé nee na loolu teguñu ko fenn candidat bi di Aly Ngouille jaay jot na numéro ca parrainage ak clé USB bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi Aly Ngouille Ndiaye mi bokkoon ci waa kër Macky Sall mujj na ber aw yoonam bokk ci élection yi élection yii di ñëw ginnaaw ba mu jotee li nga xam ni moom mooy parrainage am ngir bokk ci jongante ñaar fukki fa ak juróom ci weeru février ci élection présidentielle yii di dikk suñu gaynde yi nekk foofu ca ca coupe du monde ci ñu dul dégg Arabie Saoudi ci qualification quart de finale ya guney Souleymane Baro Fombay wane nañu ak jàmbaar ci seen diggante ak Arabie Saoudi dóor ko ñetti bal ci dara final coupe du maire euh, bi war am tey jii diggante ville de Dakar ak euh, DUC ca jigéen ña foofa ca stadium Maris Ndiaye ñii di ASC bu ville de Dakar ak euh, waa dikk def nañu seen conférence de presse waajal bésub final bi jërëjëf mbokk yi looloo fi ruusoon ci sunkum xibaar yi ñoo ngi leen di jaajëfal nees kiis ñu dikk ak ci nasaraan Les infos avec Amsato Faye. 500 Sénégalais candidats à l'immigration clandestine qui voulaient se rendre aux États-Unis sont bloqués à la frontière du Mexique, précisément à Tapachula. Leur situation serait très préoccupante. Au Sénégal, les routes de Nicaragua sont aujourd'hui à la mode pour ceux qui émigrent clandestinement vers les États-Unis. Malheureusement, nombre de nos concitoyens sont actuellement bloqués. Certains n'ont plus rien avec eux pour vivre, alerte un de nos concitoyens. Un Sénégalais vivant au Mexique qui s'exprimait sur les ondes de nos confrères alerte les autorités sénégalaises avec, afin qu'elles viennent en aide à ses compatriotes, d'autant plus qu'il n'y a pas de consul honoraire au niveau de la Mexique. Selon l'ONU, le nombre d'émigrés est estimé à 2500. Aïb Dafé, mandaté par Ousmane Sonko, s'est présenté hier devant les services de la Direction générale de élections. C'est pour récupérer les fiches de parrainage au nom de son candidat, mais ces derniers lui ont opposé un refus, d'annonce t Ils ont vu que tout était bien signé, bien formalisé, ils m'ont demandé mon identité. Je me suis présenté à travers ma carte d'identité nationale, mais à mon étonnement, ils m'ont opposé un refus infondé, un refus illégal, un refus arbitraire de nous remettre les fiches de le candidat à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, Ali enchaîne les actes qui confirment son engagement sans faille pour ce rendez-vous électoral. Après avoir démissionné de ses fonctions ministérielles et pris ses distances avec euh, le directoire de la majorité présidentielle, le maire de Linger vient de poser un autre acte qui est loin d'être saugrenu en direction de la présidentielle. Avec le démarrage du processus des parrainages lancé par la Direction générale des élections, il a reçu de main de son mandataire national, Maître Daudaka la clé USB et le fiche numéro 85 pour le parrainage du candidat pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le Sénégal a passé le cap des huitièmes de finale du championnat du monde des malentendants en surclassant l'Arabie saoudite sur la marque de 3 buts à 0, suffisant pour que le chef de l'État se manifeste. Pour les quarts de finale, les Lions vont affronter le vainqueur États-Unis-Angleterre avec euh, deux victoires et un match nul lors des phases du groupe. Le Sénégal avait validé son ticket pour le huitième de finale euh, de la Coupe du Monde des sourds mieux en terminant deuxième de son groupe avec sept points. Derrière la Suède, les champions d'Afrique ont pris le dessus ce vendredi sur l'Arabie saoudite en huitième de finale. Pour rappel, les Lions avaient battu l'Argentine lors de la première journée sur le score 2 euh, buts à 0 face à la Suède. Lors de la deuxième journée, les hommes du coach Suleiman Barafomba avaient arraché le point du match nul sur le score de 2 buts partout. Lors de la dernière journée face à la Thaïlande, les Lions avaient remis le bleu pour étrier leur adversaire sur la marque de 3 buts à 0. Merci d'écouter les brefs sur la radio Caracol FM.